dans Macky au moment où je parle avec vous l'opposition se réunit au niveau du boulevard Centenaire c'est une opposition sans génie politique c'est une opposition ni culture morale ni pertinence exclusive. une opposition qui crie qui aboie effet du tapage médiatique te loolu su amee li ko waral mooy Sénégal li fi lakk woon te feeñ moo bëri pétrole bi gaz bi lu bëri dafa feeñ ci muuru mag lu bëri wàññeeku ci muuru mag soo dajeeg ñoo xamante ni seen àdduna yëpp montage financier lañ nekkoon bu ñu déggee alal boobu ak koom-koom boobu commencé na feeñ ci Sénégal seen xel seeni xol du demaat li lu jëm pouvoir dinañ def la tout di sos di créer di wax lu dul dëgg jamono jii yaakaar naa ni manko taxawaalu biir Sénégal defet la ñu am ci may waxtu bi Amadou Ba message bu mu bëgg a jamono ji mooy tey suñu force ñun ñi jàppale Macky Sall c'est l'union suñu xarit tey nit ñuy jàppale Macky sàll moom mooy ñu nekk benn suñu seul adversaire c'est la division suñu seul ennemi c'est la séparation donc loolu la ma Amadou Ba waxoon su ma ñëwee dinaa pour que ñun ñi nga xamante ne ñooy Macky Sall honorable waxoon ba monsieur le ministre wax na ko léegi mooy ñu nekk benn pour mën a jox kii nga xamante ni euh, Macky Sall une majorité éclatante et une majorité écrasante donc c'est un homme sérieux, un homme rigoureux, un homme compétent, un homme excellent, dynamique, efficace. man lay fàttali la waa Fatou soxla nañu donc loolu laa amoon lu may wax. bismillaahi rahmaani rahiim. ma tàmbali di nuyu di ziar kilifa diina yi fi fekk. sëriñ bi Mbàkke ñu lay nuyu di ziar. ak di ziar Ousseynou Laye. seeni ñaan si biir président de la république sama xarit sama doomu ndey monsieur le ministre Pape Gorgui Ndong Pape Gorgui dañu mbokk histoire dama dirigé Kodiar Dakar président de la république ñu ñaan ñëpp mu cëral ñu kon may wax ne moom luñ ko cëral doyul parce que mérité na ko liggéeyal na son excellence le président de la république Macky Sall lu ëpp ministre kon Pape Diop Ndao ñu ngi lay encouragé di la ñaanal di nuyu monsieur le ministre Thierno Lo di nuyu l'infatigable du président Macky Sall le directeur des projets mobile Nous sommes tous ñuy def au niveau de baou et du département de Pikine Et nuyu bu la délégation du ministre de l'économie et des finances dirigée par mon frère euh, Lamine Diagne ah di nuyu di beral nuyoo laay wax sax essentiel pour que soit bi 30 juillet bi mun a am ndam asalaamaaleykum Gorguindon, représentant de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, honorable député Alun Badara responsable politique au niveau des parcelles assainies, représentant du ministre d'État Mbaye Ndiaye, directeur des structures du parti de l'Alliance pour la République. Monsieur Nyokabay Diouf, directeur de la protection des, de la protection euh, des droits de l'enfant, et des couches Monsieur le ministre Tchernolo, président de l'APD, Semeseri, Shérif Ibou Laye chef religieux, Serine Abdul Khabir Mbake, chef religieux, Michel Labine représentant du ministre Amadoba, ministre des Finances et du Plan. Sérine Bousso mon laa de du du chef religieux des efforts de toutes les parts dans une parfaite symbiose pour répondre à l'aspiration d'une vie décente et stable des Sénégalais, concrétisée par la rencontre entre le chef de l'État et des chefs religieux pour un dialogue national qui est né l'idée de mettre sur pied ce vaste mouvement dénommé Ensemble pour Maki derrière le directeur Michel Diouf. Notre entité se veut exclusivement au service du président de la paix et par ricochet de la coalition Ben Bokoyakar. Ce jour est un moment solennel. Ce jour est un moment historique dans la marche de notre nation. C'est un honneur et un défi également pour nous qui avons fait le pari d'accompagner le président de la République derrière M. Nyokoba Diouf dans sa quête permanente de mieux-être pour ses collaborateurs, ses administrés. Il serait important de donner les mobiles qui ont prévalu au choix porté sur le président de l'APR. Nous, nous l'avons choisi. Pourquoi le choix de Macky Sall j'ai été membre fondateur de la génération du Congrès. J'ai été chargé de mission dans le cabinet du président Pape Diop. J'ai été de ceux où je faisais partie, de ceux qui géraient ce pays à distance. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, monsieur le directeur, sachez que désormais, vous avez pêché un gros poisson. Pourquoi Macky Sall C'est un homme de paix, de valeur, un vrai républicain, un développeur hors pair qui a fait plus de trois ans d'opposition et a parcouru 90 000 mètres carrés au niveau national comme international. Beaucoup d'efforts fournis et de sacrifices consentis. Il est le président le mieux élu de toute l'histoire politique du Sénégal. Tous les chefs d'État africains, à l'unanimité et de surpoids de ce monde, dont Barack Obama, Barack Hussein Obama, ancien chef d'État des États-Unis d'Amérique, qui a fait du Sénégal son premier pays africain. Euh, di ziar ñëpp di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq ziar yi nag maa koy tàmbalee ci sëriñ di bu sëriñ di ko ziar bu baax a baax a baax di ziar yi euh, sëriñ Abdou Khadir Mbacke ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. di ñaanit yàlla ngeen ñaanal le président de la république Macky Sall yéen ñi nga xamante ne kilifa diine ngeen te am ci biir réew loo xamante ne Serigne Ousseynou wax na ko sànq les principaux piliers du Sénégal reposent sur les spirituels donc bu ñu leen waxee ñaanal leen président de la république.

mon très cher camarade et ami et frère Ali Badara Il l'a dit tout à l'heure, nous avions les mêmes chemins, nous avons tout parcouru ensemble à accompagner un homme avec un idéal pour ce pays. La traversée du désert n'a pas été chose aisée. Mais honorable, vous aviez choisi hier d'être du côté de la République, du côté des défenses des intérêts de la République. Et aujourd'hui, votre combat a amené un homme multidimensionnel, un homme avec une vision exceptionnelle et qui s'appelle son Excellence le Président de la République, qui aujourd'hui, ici dans la résidence Mamoun, occasionne ce rassemblement qui aujourd'hui voit l'adhésion des figures emblématiques de la vie politique de ce pays, à savoir Abdou Wahab qui vient aujourd'hui rejoindre la vision du président de la République et a avec lui le combat pour l'émergence de notre pays. Soyez-en remerciés, honorables députés, au nom de toute la jeunesse du Sénégal, de tout ce combat que vous aviez mené hier et aujourd'hui au niveau de l'hémicycle pour la sauvegarde des intérêts et exclusivement des intérêts des populations sénégalaises. Monsieur le maire, monsieur le directeur, pas Diouf, à qui certainement on va décerner la palme, la palme d'avoir eu l'audace, mais les mots pour convaincre. Convaincre Abdoulaye n'est pas une chose aisée. J'en suis convaincu, mais certainement vous avez, eu avec, vous avez été avec des vertus qui permettent aux hommes qui ont décidé d'accompagner le président de la République de recevoir et d'entendre l'appel de son excellence toujours d'être humble et au service des populations. Monsieur Abdul Wahab l'a cité tout à l'heure, il a dit que vous êtes un homme correct, très correct, et voilà les hommes qui méritent d'être aux côtés de cet homme que tout le Sénégal a reconnu correct, humble et très respecté qui est le président Macky Sall. Nyokobaï, merci de nous avoir démontré aujourd'hui d'autres talents. Puisque je vous croyais seulement construit au niveau du département de Pékin que je partage avec vous. Donc je suis témoin oculaire de tout le travail que vous êtes en train d'abattre dans ce département. Mais aujourd'hui, vous donnez l'occasion de dire à son Excellence le Président de la République que Nyokopaï, au-delà de Pékin, et quelqu'un sur qui son excellence peut compter pour mailler le territoire national et international. Merci beaucoup, Je suis fier aujourd'hui d'être un banlieusard comme toi. Merci. Monsieur le maire de la commune de Tuamon Diaksao, Monsieur le maire d'Ofen Fall, représentant de Djambagan Sikapma représentant aujourd'hui le maire de la ville de Pékin, par ailleurs coordonnateur de l'Alliance pour la République du département de Pékin, qui, Abdul Wahab, si aujourd'hui le maire de la ville de Pékin, coordonnateur de l'Alliance pour la République, pour une cérémonie pareille, envoie aujourd'hui un maire de communes de son département pour venir le représenter dans cette manifestation, c'est parce qu'en réalité, il entretient d'excellentes relations avec celui qui a été son interlocuteur et qui est à l'origine de cette manifestation. Cela prouve aussi à suffisance la, toute la détermination de Nyokobaï, mais aussi l'intérêt qu'on porte et l'espoir qu'on porte sur Nyokobaï. Je viendrai maintenant pour des salutations distinguées à celui aujourd'hui qui vient de rejoindre le président de la République à travers la modeste personne du directeur Nyokobaye Diouf. Monsieur Abdul Wahab, nous qui, qui, qui sommes jeunes de la politique, vous connaissons très bien. Vous connaissons très bien comme étant quelqu'un qui l'a défini tout à l'heure de très courageux. Et ça, je m'en félicite, puisque nous avons un autre homme courageux auprès Un autre homme extrêmement courageux pour prendre les décisions. Monsieur Abdul Wahab, vous, êtes, vous avez décidé de rejoindre un homme. Mais un homme qui a demandé aux populations sénégalaises les destinées de les populations sénégalaises acceptent cela. Et en l'élisant aux fonctions de président de la République du Sénégal, cet homme a défini en moins de deux ans le seul référentiel unique de ce pays et qui s'appelle le plan Sénégal émergent qui s'applique autour, autour de trois points. Voilà ce qui vous a aujourd'hui convaincu jusqu'à accompagner cette vision du président de la République. Mais au-delà de ce qu'il est en train de faire dans ce pays, qui est de transformer complètement dans tous les secteurs et domaines, il n'y a pas un seul secteur ou un seul, domaine dans ce pays où le président Macky Sall et son gouvernement n'a pas quadruplé le rythme qu'on n'a jamais connu dans ce pays par rapport à des termes de réalisation dans ce pays. Et je défie quiconque. C'est cet homme que vous allez rejoindre aujourd'hui qui ne cesse de dire à l'endroit des populations, des militants et de ses responsables que je veux prendre ce pays, engager ce pays dans le chemin du véritable développement. Et ce chemin du véritable développement va nous mener directement vers l'émergence tant attendue. Cet homme vous donne des recommandations ainsi soyez à la disposition des populations, soyez à l'écoute des populations. Mais soyez aussi en conformité, en harmonie avec tous les responsables que vous, avez, allez trouver dans le parti de Dakar qui vaut aujourd'hui aux populations qui vivent dans la région de Dakar de choisir le camp de l'émergence le camp de l'amélioration des conditions de vie des populations en continu. Voilà un tout petit peu le message que je voudrais adresser à votre, à endroit, tout en vous félicitant, en vous remerciant d'avoir choisi aujourd'hui le camp de la vérité.